le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau du Studio Kalangou, forum du Studio Kalangou, Bakim Batour El Mustafa à la présentation. Ce soir, nous allons nous intéresser à la question des élections législatives couplées à l'élection présidentielle premier tour euh, au Niger, notamment axée sur les résultats issus de l'observation des élections présidentielles et législatives au Niger. Pour une euh, première fois, le Niger se prépare à aller vers une alternance politique démocratique après les deux mandat du président sortant Issoufou Mamadou. Pour la présidentielle, les dossiers étaient de 30 candidats sur les 41 qui ont été déposés, 30 ont été validés euh, par la Cour constitutionnelle dans son arrêt publié le 13 novembre 2020. La Cour constitutionnelle a aussi validé 359 des 505 listes déposées pour les législatives. Pour les scrutins du 27 décembre dernier, il faut noter que plusieurs organisations nationales et internationales ont accompagné ce processus électoral au Niger. Il s'agit des observateurs qui se sont déployés sur l'étendue du territoire national. Ce soir, nous sommes sur ce plateau de forum du studio Kalangu avec euh, des observateurs du processus électoral et nous allons interroger les résultats obtenus dans leurs observations en vue de savoir comment s'est passé le vote du 27 décembre dernier et quelle analyse faire du processus qui est toujours en cours. Quel est le rôle de ces observateurs, notamment dans le cas des élections en cours au Niger Comment s'organisent ces observateurs pour suivre de près le déroulement des élections Qu'est-ce qui ressort de l'observation sur le terrain le jour et après le déroulement du scrutin C'est pour euh, vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invité M. Kani Abdoulaye, qui est le coordinateur du collectif des organisations des droits de l'homme et de la démocratie. Bonjour, euh, M. Abdullah. Bonjour. Nous avons également avec nous ce soir M. Euh, Al-Mustafa Moussa Ide, qui est commissaire au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Bonjour, M. Al-Mustafa. Bonjour, M. al Et également M. Euh, Michael Zodi, qui est coordinateur de l'organisation Tournant la page. Bonjour, M. Michael. Bonjour. Plus de 7 millions et demi d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale pour exercer leur devoir électoral le 27 décembre dernier pour choisir leur futur président et aussi les représentants à l'hémicycle et c'est pour un mandat de 5 ans. Nous allons échanger par rapport à la question de l'observation électorale du 27 décembre dernier. Et pour débuter, nous allons demander à nos invités de nous expliquer quel est le rôle que jouent les observateurs dans un processus électoral, et c'est à commencer par Monsieur Kani Abdoulaye. Donc bonjour et merci de cette opportunité que vous nous offrez. et vous souhaitez aussi une bonne année, une année de paix pour notre pays. Dans, dans un processus électoral, les observateurs ont un rôle important. Un rôle important parce que, comme leur nom l'indique, c'est d'observer, c'est d'aller voir et maintenant, on parle même du processus. Ça veut dire que depuis les préparatifs même du fichier électoral, électoral jusqu'aux opérations de vote, c'est de voir comment ça se passe, que ce soit euh, techniquement, que ce soit au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans la, mise en œuvre. Mmh. Et euh, au niveau des élections, c'est de voir est-ce que la loi électorale, c'est-à-dire le code électoral, est-ce que le code électoral est respecté dans le déroulement, c'est-à-dire que ce soit à l'ouverture, déroulement et le, dépouillement des élections et de les compiler. Pourquoi Pour pouvoir faire à la fin des recommandations, que ce soit à l'organe chargé de gérer le processus électoral ou à l'État ou même les observateurs à travers leurs organisations, leurs organisations, même si par ailleurs les observateurs, puisqu'appartenant à des organisations, très souvent à des organisations de la société civile ou des organisations internationales, au nom du principe du pacte euh, servanda. qui veut dire que euh, les pays qui acceptent de se mettre dans le, dans le cadre des organisations internationales mm-hmm. et l'accepte Donc, c'est non pas une certaine autorité, une certaine emprise, mais font des observations qui, et des recommandations qui, le plus souvent, si ces observations sont mises en œuvre après les élections, peuvent effectivement pallier aux insuffisances qui sont est sur le terrain. Voilà ce que je peux dire d'entrée. D'accord, merci. Nous avons compris que les observateurs euh, partent sur le terrain pour observer, suivre de près le processus électoral et faire des recommandations pour qu'il y ait euh, vraiment une crédibilité du processus électoral. Donc euh, nous allons poursuivre avec Michael Zodi cette fois-ci pour nous dire quel élément d'apport a-t-il apporté par rapport à ce rôle des observateurs dans le processus électoral et surtout de nous dire quelle est l'importance de cette observation du processus. Eh bien, merci le studio Klangou. Euh, je profite aussi euh, pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Euh, plein de succès, plein de paix pour le Niger. L'observation électorale, comme son nom l'indique, c'est une sorte d'œil extérieur qui regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que l'organe chargé des élections est en train de faire pour pallier au problème. Et à la fin, il y a un rapport. C'est-à-dire, vous pouvez partir sur le terrain, constater les faits, mais vous n'avez pas un mot à dire. Vous n'agissez pas. Mais à la fin, vous pouvez faire un rapport. Dans ce rapport, effectivement, vous consignez tout ce que vous avez constaté. Et l'observation, elle est très importante pour, euh, pour euh, une bonne démocratie, parce que l'observation permet de juger de la crédibilité, de la transparence des processus électoraux. C'est un processus organisé, je dis bien, par un organe qui est, qui, est là, et spécifique, mhm. qui s'occupe de tout ça là. Mais nous, nous sommes des observateurs, quand on le dit, on a des yeux, on regarde, mhm. mais on n'a pas de bouche pour parler. Mhm. C'est à la fin, effectivement, qu'on va faire ce rapport-là. Donc, le lendemain du processus électoral aussi, nous sommes là jusqu'à la remontée des résultats, jusqu'à la proclamation des résultats, nous sommes là. C'est à la fin de ce processus que nous allons faire un rapport définitif de ce qui s'est passé au cours de ce processus électoral. Donc, mais quand même, euh, au fil du temps, par étapes, nous pouvons communiquer à la presse pour dire, bon, voilà, voilà, voilà, des déclarations préliminaires mhm que nous pouvons faire jusqu'à la fin du processus et on fera un rapport définitif. D'accord, merci euh, M. Michael Zodi, coordinateur de l'organisation Tournons la page euh, au Niger. Nous allons également à présent écouter euh, <laughs> Monsieur Al-Mustafa Moussaïdi, qui est commissaire au niveau de la Commission nationale indépendante, Commission nationale des droits de l'homme. Dites-nous, nous avons constaté que la Commission, la CNDH, participe également dans ce processus électoral. Quel est le rôle particulier que joue la CNDH Merci, Monsieur Al-Mustafa. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de joindre ma voix mhm. à celle de mes prédécesseurs pour euh, souhaiter <clears throat> bonne année à l'ensemble du personnel du studio Kalangu mhm. et vraiment vous encourager dans ce que vous faites, que cette année soit une année de nouvelles perspectives pour vous et pour nous tous. Et ceci étant, comme euh, vous l'avez dit, la Commission nationale des droits humains, au vu de sa mission, que la Constitution et même la loi organique, euh, c'est a une obligation de s'intéresser au processus électoral. Mm-hmm. C'est ainsi que dès le 10 février 2020, la CNDH a mis en place euh, un comité pour préparer sa participation au niveau du processus électoral. Au niveau de la phase préélectorale, la CNDH, à travers le comité qu'il a mis en place pour préparer sa participation. Et quel est ce comité de... Euh, c'était un comité constitué de. On va, un, comité chargé de préparer la participation de la CNDH au processus électoral. Mhm et je vais venir dans les attributions de ce comité-là. Mhm. Donc, ce comité était effectivement dirigé par la, vice-présidente. Mhm. Il y avait des, commissaires, il y avait des cadres. Donc, a eu à faire vraiment euh, une note conceptuelle de toute la participation de la CNDH. Ainsi, ce comité a eu à observer d'abord euh, la phase de l'enrôlement. Mhm. Bien entendu, avant la diffusion, nous avons rencontré le, président de la CENI pour que eh, tous les manquements qui ont été constatés pendant cette phase d'enrôlement soient eh, corrigés. Dans, dans, ce même comité, le même comité a prévu aussi eh, la mise en place ah, d'un comité de sages qui est composé de personnalités connues pour leur probité, qui ont eu à rencontrer les, différents partis prenantes au processus électoral, c'est-à-dire les partis politiques, les, ministères en charge des élections, en tout cas toutes les parties prenantes, mhm. et mener des, séances de sensibilisation pour effectivement afin qu'on puisse assister à des élections apaisées. Maintenant, dans la phase préélectorale aussi, il y a eu la distribution des, des, des cartes d'électeurs. Là aussi, la CNDH a fait le monitoring de cette euh, distribution. Est-ce que l'arrêté ou bien la décision du président de la CENI portant distribution des cartes d'électeurs, est-ce que l'arrêté est en train d'être euh, respecté Après le monitoring, effectivement, une recommandation et euh, des manquements qui ont été observés ont été portés à la connaissance du président de la, de la CENI. Et maintenant, nous sommes tombés dans cette phase électorale où, grâce à l'appui des organisations de la société civile, les, organisations, les centrales syndicales, les enseignants-chercheurs, presque toutes les couches socio-professionnelles ont appuyé la, CNDH à travers la la mise à disposition des ressources humaines pour pouvoir observer effectivement euh, c'est le processus. Le processus. Mm-hmm. C'est ainsi que la, la, CNDH a eu à déployer sur le terrain 530 observateurs mm-hmm. qui ont observé 2650 bureaux de vote et ont assisté à 530 dépouillements au niveau du bureau de vote. D'accord, merci M. Al-Mustafa Moussaïdé de la CNDH. Nous allons, avant de parler concrètement de ce que les, observateurs ont eu à faire pendant euh, le processus, surtout le déroulement du vote le jour du 27 décembre, euh, demander à Michael Zodi de nous dire, euh, on a constaté également la présence des observateurs internationaux. quel est le rôle particulier Est-ce le même rôle qu'ils jouent ou bien il y a une particularité qui les distingue euh, les observateurs internationaux aussi jouent le même rôle que nous. ils nous viennent en appui. Parce qu'en dehors de nous, euh, au niveau local, effectivement, il y a des institutions telles que la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres organisations internationales qui envoient des yeux extérieurs. On considère que ce sont des yeux extérieurs que nous. Parce qu'aujourd'hui, euh, je connais Kani, Kani me connaît, je connais Al-Mustafa. On peut dire que, bon, peut-être qu'on peut voir quelque chose et puis dire que nous avons parti pris. Mhm. Mais euh, les yeux extérieurs, mhm. autres que nous, mhm viendront de l'autre côté pour crédibiliser encore l'observation. Parce que euh, il faudrait reconnaître que, euh, de par les déclarations des observations, vous allez constater, même euh, au niveau local et national, international, mm-hmm. les mêmes déclarations se répètent, c'est-à-dire les mêmes constats se répètent. Donc, mm-hmm. on, voit de façon générale ce qui s'est passé durant ces processus électoraux. D'accord, nous avons compris. Donc, les observateurs électoraux, ils ont le même rôle que les observateurs au niveau national. Et mm-hmm. surtout, il a apporte une certaine crédibilité à, l'observation. Donc à présent, nous allons euh, parler de l'étendue de la couverture des observateurs et les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer dans le cadre de euh, cette observation. Euh, l'étendue de la couverture des observations, sachant que le Niger est un pays qui a une superficie de 1 267 000 km2 et qui est composé de 8 régions et de 266 communes qui sont réparties sur son vaste territoire. Nous aimerions savoir comment vos structures respectives se sont déployées pour couvrir ce processus en cours et autour duquel il y a eu plusieurs enjeux, dont entre autres première alternance démocratique. Monsieur Kani Abdoulaye, dites-nous comment votre structure s'était déployée pour pouvoir euh, couvrir euh, ce processus. Donc, euh, j'ai pu vous dire que le code mhm. est dans le cadre de, de, de, l'observation était en concertion avec, le, avec OANEP Niger et dix autres organisations de la société civile au niveau national avec l'appui financier de l'Union européenne. Hum, hum. Et nous avons déployé et au niveau de, notre cellule de veille 350 observateurs, hum, dont euh, 150 qui concernent uniquement, et comme je l'ai dit, dans le cadre du, processus électoral apaisé, et il y a 200 observatrice qui, elle, en, dehors de ça, était aussi euh, <clears throat> surtout concernée par le monitoring de la participation de la femme, de la femme dans le processus. Et c'est sur l'ensemble du territoire. Mais nous avons surtout priorisé souvent des zones que nous avons appelées des zones à risque. Mhm. Parce que c'est quand même un processus. Et avant les élections, c'est que c'était le processus était déjà sur place avec des, des moniteurs terrain mhm. qui étaient chargés de monitorer mhm. effectivement le processus et qui faisaient remonter les informations pour que nous puissions savoir, par exemple, au, au niveau des régions, où est-ce qu'il y a de problèmes ou où est-ce que des problèmes peuvent surgir. Donc c'est en, en, ce sens que nous avons priorisé ces, ces, zones mm-hmm. pour pouvoir mailler l'ensemble du territoire, pour pouvoir mailler l'ensemble du territoire national. Mm-hmm. Et le, nous avons eu mis en place trois chambres. Il y a ce qu'on appelle la chambre de collecte, mm-hmm. c'est-à-dire cette chambre de collecte elle est là, elle est en relation directe avec les observateurs terrain mhm. qui envoient des informations et on a par exemple, ce qu'on appelle des fiches d'incidents. Quand il y a un incident, par exemple, constaté à un niveau, on nous envoie directement la fiche au niveau de la, de la salle, de, la chambre de collecte. Après cette chambre de collecte, il y a ce qu'on appelle la chambre d'analyse. Tout, ce que, tout ce qui est recueilli au niveau de la chambre de collecte est analysé par une chambre d'analyse. Après la chambre d'analyse, il y a ce qu'on appelle la chambre des décideurs. C'est là-bas que les décisions se prennent par rapport à tout ce qui a été constaté constater. Donc, euh, bien. Et, et, et, j'ai pu vous dire qu'effectivement, tu, tu, as parlé de, surtout des défis. Mhm. Il y a eu effectivement beaucoup de défis. Parce que quand vous prenez, aujourd'hui, euh, nous, avons parlé par exemple de l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des localités dans lesquelles et eh, la bande passante est très faible. Mhm. L'Internet mhm. ne fonctionne pas. Ça, c'est des défis. Il y a des zones, nous avons surtout priorisé des zones d'insécurité. Quand vous prenez une zone d'insécurité, vous prenez rien que, par exemple, à Macron, dit, mhm. il y a eu, on a enlevé, il y a eu un enlèvement. Enlèvement et de, euh, comment on appelle ça, des membres, de, effectivement, de, de, bureau, de mhm. vote. Heureusement, euh, disposition avait été prise très rapidement où ils se sont ravisés. Ils ont ils les ont lâchés, puis ils mm. sont partis avec le, chauffeur, puis ils ont lâché, ils ont lâché le chauffeur, après ils ont même abandonné. Donc euh, merci Monsieur euh, Kani Abdullah, nous allons revenir en profondeur pour parler de tous ces défis et difficultés euh, constatés dans le cadre de l'observation électorale du 27 décembre dernier. Nous allons à présent écouter Al Mustafa Moussaïdé, qui est commissaire au niveau de la CNDH. Vous avez déployé plus de 530 observateurs. donc dites-nous comment vous étiez organisé pour créer les conditions d'assurer l'observation par rapport à ces élections, le comité a effectivement réfléchi parce qu'au au début, euh, l'ambition c'était de déployer 1830. Mhm. Mais face euh, aux difficultés, surtout des moyens, cela n'a pas été possible. il faut dire nos observateurs, euh, la CNDH ne dispose pas des ressources, nos observateurs viennent des, organisations de la société civile. Mhm. Et la particularité de cette année, est, on a exigé à ce que on a pris des critères. Mhm. Il faut avoir une expérience électorale. Mhm. Quand vous prenez les organisations de la société civile, tel que le Code, euh, tournant la page, en tout cas, ils ont l'expérience. Ensuite, et avoir un minimum de. avoir le, minimum, le niveau bac. Et là, à ce niveau, eh, nous avons écrit aux différents recteurs des universités au niveau des régions qui nous ont donné aussi des, étudiants qui ont mis à notre disposition des étudiants mhm. et en même temps les, organisations de la société civile. Au niveau de cette euh, euh, région, à l'exception de Niamey, c'était 50. Euh, et pourquoi l'exception de Niamey Bon, parce que Niamey, eh, c'est là, et Niamey, on a pris à peu près les, les, les 200 et, quelques. Mm-hmm. Malheureusement, eh, il y a eu des, des difficultés dans, dans, la mise en œuvre, mm-hmm. parce qu'au moment où les, les, associations au plan national nous envoient les désignations et au niveau régional aussi, mm-hmm. nos antennes prenaient des, des observateurs. Donc voilà entre autres quelques difficultés qu'on a eues. Comme nous avons des chefs d'antenne, les, les, chefs d'antenne et un commissaire se sont déplacés au niveau de chaque région pour assurer effectivement la formation avant de les redéployer sur le terrain. Et à Niamey, eh, la Commission nationale, à travers effectivement le secrétariat général, a assuré la formation de, de, de, 200 autres là. Mais les difficultés, vous savez, eh, notre pays traverse une période d'insécurité où il y a l'état d'urgence avec euh, la non-utilisation des, motos, cela a été vraiment des, difficultés, de que c'était des véhicules qui avaient été loués et la consigne était que euh, les, véhicules, aucun observateur ne doit dépasser plus de 50 km du chef-lieu de la, de la région. La CNDH a fait appel à, un statisticien de l'INS qui nous a aidé à concevoir l'outil qui a été renseigné et pour que nous puissions parce que vous savez, il y a eu des recommandations lors des différentes rencontres des INDH pour que les, INDH travaillent avec l'Institut national des statistiques afin qu'on puisse intégrer les données statistiques dans le cadre effectivement de la promotion des droits humains. C'est ça, c'est cette recommandation que nous avons mis en œuvre en faisant venir un ingénieur statisticien que l'INS a bien voulu mettre en notre position et aujourd'hui il est en train de traiter en tout cas toutes les 2000 650 fiches. C'est hier qu'on a reçu les fiches de la dernière région qui était de Maradi, parce que le véhicule avait eu une panne. Donc on a pu finir ça. Sinon, désir, on allait rendre public notre déclaration. D'accord, donc euh, merci, merci monsieur Al-Mustafa <laughs> Moussaïde. Nous allons à présent écouter Moïse Koulzodi pour qu'il nous dise également à leur niveau euh, comment ça s'est euh, passé et quel commentaire a-t-il à faire par rapport à cette question surtout d'insécurité qui constitue, en tout cas selon les interventions, l'une des difficultés majeures constatées dans ce processus. merci. je voudrais un peu avant de répondre, parler un peu du rôle de la société civile. Mhm. Euh, au fait, il faudrait comprendre que dans le processus électoral, la société civile a des rôles. Mhm. Il y a le premier rôle qui est la sensibilisation pour des élections apaisées. Mhm. Donc ça, ça n'a rien à voir avec l'observation. Donc il y a aussi l'observation. Euh, Fort heureusement, Almoul a dit euh, qu'ils ont reçu l'appui de l'OIF, et d'autres institutions, et aussi Kani l'a dit. Euh, bon, euh, à notre niveau, nous n'avons pas reçu d'appui, mhm. mais euh, tout ce qu'on a eu à faire, c'est sur fond propre. Mhm. Tout ce travail qu'on a eu à faire, c'est dû à l'engagement de nos camarades mhm. et la conviction de nos camarades qu'on a pu faire ce travail-là. D'abord, il faut reconnaître que notre organisation n'est pas une organisation local et localisé à Niamey. Mhm. Nous avons créé durant trois années de travail mhm. à créer les conditions pour que dans chaque région, nous avons une coordination. Mhm. Dans chaque département, les 47 départements sont couverts actuellement par nos coordinations départementales. En dehors de ça, nous avons attaqué les communes. Actuellement, nous avons 74 communes où nous avons des coordinations. Les communes là où nous n'avons pas de coordination, nous avons créé les conditions pour avoir des points focaux qui sont dans les communes. Donc, le déploiement nous est, vous avez, aussi, vous, constaterez avec moi que le déploiement nous est très facile pour que avec nous les puissions, avec les représentations, pour que nous puissions couvrir l'étendue du territoire. Nous avons d'abord, euh, de façon formelle, puis il faut comprendre qu'il euh, il y a eu une lenteur au niveau de la CENI. Sinon, sinon normalement, l'accréditation des organisations devrait se faire avant, dès le début même, dès l'installation de la CENI, pour permettre aux organisations d'observer l'enrôlement et tous les travaux de la CENI. Mhm. Mais ils ne l'ont pas fait. Et les locales, ils ne l'ont pas fait. Il a fallu qu'il y ait une petite intercation entre la société civile et la CENI pour mm. qu'ils puissent nous donner des accréditations juste pour observer les élections présidentielles et législatives. Mm. Mais il faudrait comprendre beaucoup d'eau ont coulé euh, sous le pont mm-hmm. parce que nous, nous avons d'abord fait le monitoring du, électoral, le processus en tant que tel, le code électoral, euh, la mise en place de la CENI. Nous avons même fait sortir un rapport par rapport à cette question-là. Donc, où nous demandons aux citoyens nigériens, aux politiciens, à tout le monde, un dialogue national pour des élections apaisées. Par rapport à l'enrôlement aussi, nous avons fait sortir un rapport où, dans ces rapports là nous avons dit que les standards internationaux ne veulent pas que 5% des Nigériens se fassent enrôler par témoignage. Dès que vous dépassez les 5%, le fichier, je ne peux, pas dire que le fichier n'est pas crédible, mais la crédibilité du fichier reste, à désirer. Donc, tout ça là, nous avons soulevé ça. Et jusqu'à quand on a reçu l'accréditation euh, de la CENI, la, CENI nous a accrédité à travers notre organisation qui s'appelle OPEL, mhm c'est euh, l'Observatoire du processus électoral, qui regroupe mhm. plusieurs autres organisations. Maintenant, nous avons pu avoir 500 barges. Ces 500 observateurs se sont déployés. On ne les, avait, pas pris ici à Niamey. Mhm. Toutes les régions ont envoyé des listes. Mhm. Ces 500 observateurs accrédités par la CENI sont appuyés par les coordinations au niveau local. Donc, ils ont fait un travail vraiment gigantesque. Parce que j'ai ma voiture, je mets mon carburant, je reste au niveau de mon bureau de vote, j'observe. Je me déplace pour voir ce qui se passe, j'observe. En dehors de ça, on a fait une innovation. Nous allons mis à la disposition de tous les citoyens un numéro, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par appel direct, que ce soit par messagerie, que tout citoyen qui constate une irrégularité quelque part dans un coin reculé du Niger puisse nous saisir directement. Et nous avons reçu l'appel de 2640 citoyens nigériens pour nous faire cas des irrégularités constatées. Après l'appel, la force qu'on a, c'est-à-dire, on ne prend pas l'appel comme argent comptant déjà nous nos coordinations qui sont sur place. Il y a une équipe euh, Situation Room qu'on a ici qui, est saisie de l'affaire et qui appelle la coordination au niveau local pour leur demander d'aller vérifier la véracité de l'information avant de prendre en compte. je, vous prends un exemple pour mon cas. Moi, j'ai supervisé le département des filindi. J'étais dans le département de Filengé quand il y a eu, vous, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, un peu partout, les gens ont parlé de cette situation de Loga. Mhm. Où on a dit il y a 5000 bulletins qui se sont volatilisés. Mhm. Où il y a eu perte d'une, mhm. deux Notre, malgré que notre coordination départementale de Loga nous a fait le rapport de ce qui s'est passé je me suis détaché de Filangier pour aller à Loga pour constater le Le président de la CENI nous a fait cas que tout se passe très bien, c'est juste les réseaux sociaux. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer l'enquête. Et effectivement, nous avons reçu l'information que ce n'est pas 5000 bulletins qui ont disparu, mais 1000 bulletins. La question qu'on s'était posée, c'est à quelle fin Pour savoir quelle serait l'utilisation de ces bulletins-là. Mm. Donc, il faut un peu regarder faire le tour des bureaux de vote pour constater. Et effectivement, les gens pensaient qu'ils peuvent percer le processus. Mais très malheureusement pour pour le peuple nigérien, le bulletin doit être signé par les assassins. Un assassin qui est dans le bureau de vote. Même si vous venez avec le bulletin de vote, vous ne pouvez pas voter parce qu'il n'y a pas la signature. Même si vous mettez ça dans l'une, c'est nul ah parce que ce n'est pas authentifié. Mhm. Maintenant, après analyse, nous avons constaté, parce qu'on était resté encore. Mhm. Nous, allons revenir pour parler de, constats. C'est pour vous dire que <laughs> mhm. et nous avons pu traiter mhm. toutes les informations reçues et nous avons fait une déclaration préliminaire. Les difficultés, effectivement, il y en a. Euh, le manque de ressources financières, c'est une difficulté chez nous parce que nous n'en avons pas, nous n'avons pas reçu de financement. Et dans les zones d'insécurité, effectivement, comme on nous l'a dit, quand nous avons reçu des informations, le déplacement de la coordination pour aller dans ces zones d'insécurité nous posait problème. Et surtout, moi je ne parlerai pas des, zones d'insécurité, mais je parle des zones nomades. C'est là où nous avons rencontré énormément de difficultés. Parce que l'insécurité, ce n'est même pas les bandits armés, ce n'est même pas les terroristes. Mhm. Ce sont des militants des partis politiques mhm qui possédaient des armes et qui s'imposaient. Donc, sincèrement, euh, aujourd'hui, nous avons notre mot à dire mhm. par rapport à tout ce qui s'est passé sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons observé mhm. les 26 000 bureaux de vote, mhm. mais nous avons une vue générale mhm. de tout ce, qui s'est passé. D'accord, merci. Nous allons revenir en profondeur pour parler de ce qui s'est passé concrètement euh, le jour du 27 décembre, ce qui a été observé sur le terrain. Avant peut-être de venir à là, nous allons demander à, euh, à Kani Abdullah de nous dire quel était, comment eux, à leur niveau, ils ont déployé les moyens, comment ils ont eu les moyens pouvant leur permettre d'observer le processus. Puisque à écouter Michael Zodi, il dit que c'était sur fond propre que eux ils ont quand tout couvert. Oui, euh, comme je le disais, c'est sur le financement de l'Union européenne. Mhm. Donc, euh, le ONEP, qui est une organisation euh, sous-régionale, avait soumis au niveau de l'Union européenne et avait été sélectionné. Maintenant, étant entendu que c'était au Niger, c'était comme une sorte de guichet. Donc, il fallait que des organisations de la société civile au niveau local aussi puissent soumissionner et être sélectionnées. C'est ainsi que, par exemple, le Code a soumissionné au niveau de ses guichets et a été sélectionné comme partenaire de mise en œuvre euh, de ce projet. Et le projet avait quand même, c'est pour tout le, le suivi du processus, tout le processus électoral. Hum. d'abord a quand même avant mis en place, comme je l'ai dit, des moniteurs terrain qui étaient en train de monitorer hum, hum. le processus électoral sur le terrain, a mis en place ce qu'on appelle un ERG, c'est-à-dire le groupe, un groupe de réflexion, un groupe de réponse aux violences électorales et groupe dans lequel d'ailleurs est représentée la Commission nationale des droits, de droits humains et et d'autres euh, et, les organisations de la société civile qui sont partenaires, euh, partenaires de mise en œuvre dans ce projet. D'accord, merci Monsieur euh, Kani Abdoulaye. Nous allons à présent écouter Monsieur Al-Mustafa Moussa Idé, qui est de la CNDH. Vous avez suivi de près le processus électoral et comme nous sommes peut-être presque même à la fin de notre émission, nous aimerions savoir quels étaient les résultats euh, de votre observation, quels sont les constats euh, que vous avez euh, aujourd'hui, quels commentaires vous à faire par rapport au processus du 27 décembre. Et, avant de répondre à, effectivement à cette question, <laughs> mhm. <coughs> il faut rappeler le, jour du 27. Mhm. Effectivement, la CNDH, à travers deux de ses pôles, euh, le pôle stratégique et le pôle technique, mhm. on a fait de l'observation interactive. le coordinateur de Tournant la page, il a dit tout à l'heure, mhm. effectivement, euh, le rapporteur général qui était le responsable du pôle stratégique avait élu domicile effectivement au niveau de la commission. Mhm. Et la CNDH à travers même les organisations de la société civile, a eu toutes ces informations. Mhm. Et comme il a dit, nous avons le cas pathétique de Loga. Mhm. et la CNDH avait directement saisi le secrétaire général de la préfecture de Loga, qui nous a passé le CB. Mhm. On a eu toutes les informations, on a vérifié et qui confirme ce que Michael vient de dire. Et ensuite, euh, le rapporteur général a appelé le président vous dire voilà ce qui est en train de passer alors Le président étant à, à Bonkoukou mhm. a pu joindre effectivement eh, le président de la CNI, le vice-président, par rapport à cette information-là. Maintenant, quand on a eu toutes les informations, on nous a rassuré que vraiment eh, c'est réglé. C'était aussi le cas des ruptures des, des, bulletins présidentiels au niveau de la région de, de où nous avons eu l'information aussi à travers aussi les organisations de la Vraiment, il y avait une interaction mhm. entre la CNDH et les organisations de la et la CENI mhm. pour vraiment euh, trouver des, des, solutions mhm. euh, euh, à, tous ces problèmes. Et l'autre problème qu'on a vécu dans certaines localités, et on, voulait empêcher aux observateurs euh, de, de voter, de, voter. Mm-hmm. parce que quand tu es observateur, tu es détenteur de ta, de ta carte d'électeur. Mm-hmm. La loi, le code électoral, la loi électorale t'autorise à voter partout où, où, tu es, mm-hmm. où tu es. Et ça, c'est difficulté aussi, grâce à cet euh, observateur interactif entre la CNDH et la CENI, on a pu vraiment les, les, régler. C'est pour dire qu'effectivement, euh, la CENI et les doit compter sur les organisations de la société civile pour pallier à, beaucoup beaucoup d'insuffisances. Je pense que c'est la recommandation forte qui, ressort en tout cas de, des actions des organisations de la société civile. Maintenant, par rapport à, aux questions... pense euh, je le commentaire qu'on peut eh, faire par rapport je au Je m'abstiens de faire des commentaires parce que je ne suis pas la, personne habilitée à le faire. Il y a la, la CNDH va rendre Mhm. public, Inch'Allah, ce soit, Les conclusions là, euh, la personne habilitée à faire le commentaire va, va le faire parce que tu mhm. je n'ai pas ce droit-là de, de rentrer dans. D'accord. D'accord. Merci, merci, monsieur. vous me comprendrez. <laughs> Merci, monsieur Al-Mustafa Moussaïde, euh, de commissaire au niveau de la CNDH. Nous allons à présent écouter Michael Zodi, qui est euh, Coordonnateur au niveau de l'organisation de l'organisation Tournons la page. Vous avez transmis un numéro à, travers lequel vous avez reçu beaucoup d'appels, vous avez été sur le terrain, vous avez déployé près de 500 observateurs qui ont constaté, qui ont fait des constats lors euh, des élections passées le 27 décembre. Dites-nous un peu de manière résumée quel est le commentaire qu'on peut faire par rapport au processus qui est en cours et quels sont les constats véritables qui ressortent de vos observations. D'abord, permettez-moi de profiter de votre micro, mhm. de saluer la maturité du peuple nigérien. Mhm. Il faut reconnaître, quoi qu'on dira, que le peuple nigérien mhm. est sorti, comme le disait le Hausa, d'Apipi, dans le calme et dans la sérénité. C'est vrai, il y a eu quelques violences déclarées un peu partout, mais négligeables on considère que le peuple nigérien est à féliciter. Mmh. Il faut aussi reconnaître que la CENI n'a pas pris mmh. en compte ou bien en considération les observations qu'on a eu à faire, mmh. les erreurs des élections locales. C'est-à-dire le retard, la logistique a failli. Le retard a été encore constaté durant ces élections-là certains bureaux de vote, jusque-là, je ne sais pas s'il a signé après un arrêté pour reconduire le vote. Il y a certains bureaux de vote qui n'ont pas ouvert. Est-ce qu'ils sont négligeables ou bien c'est beaucoup de bureaux de vote Non, priver un citoyen de son droit, c'est beaucoup. Ce n'est pas à négliger. C'est un peu partout hein, le constat. En dehors de ça, la logistique a failli parce que la rupture des bulletins de vote que nous avons constatée c'est ciblé, c'est des zones ciblées. Ça, il faut le dire. Mmh. il y a eu le rupture de billets de vote. Le cas de Loga, même c'est après qu'on avait compris, c'est pour créer les conditions d'une rupture des bulletins de vote. Parce que déjà, quand on était chez le président, certains bureaux de vote étaient venus pour dire que les... Il y a des bureaux de vote qui ont fermé à Tilaberi déjà à 15h parce qu'il n'y a pas de bulletins. Faute des bulletins. Et l'engouement était là. Donc, là aussi, il faut comprendre que nous avons un taux de participation un peu élevé mhm. par rapport à ce qui toutes les élections passées. Et l'achat de conscience mhm. dans toutes les régions, nous l'avons constaté. Et c'est de façon flagrante. Nous ne pouvons pas comprendre. Au moment où la campagne électorale est fermée et clôturée, que des militants des partis politiques sortez jusque dans les bureaux de vote avec l'effigie, la couleur des partis politiques. Et qui sont surtout ces partis politiques ou bien C'est aujourd'hui qui a le pouvoir. C'est le parti au pouvoir. C'est ce parti qu'on a constaté un peu partout dans les bureaux de vote avec l'effigie, avec des véhicules administratifs, l'utilisation des moyens de l'État a été constatée. Moi, je vous prends un exemple là où j'étais. Euh, le ministre de l'Intérieur et le ressortissant du canton de de, la commune mmh. d'Imanan. Il était sorti avec l'armada, mmh. je dis bien des 12 des policiers. Mmh. Ça influence le vote et ça crée les conditions de perturber même les gens qui étaient dans la queue. donc, pour vous dire que les moyens étatiques ont été utilisés à outrance. Dans les zones nomades, mhm. le braquage d'îles, mhm. nous l'avons constaté. Et pour vous dire que je, prends le cas de belle Mm si Merci, nous sommes presque à la fin de. Non Vous, m'avez dit. Bon. allez-y, allez-y à nous sommes presque à la fin de. donc, le cas de Belbéji, mhm. là, je ne dirais pas que c'est le parti au pouvoir. Mm-hmm. Mais des militants de notre parti mm-hmm. ont braqué le parti au pouvoir mm-hmm. avec des armes. Donc, c'est pour vous dire que dans les zones nomades, ce n'est plus le voie C'est juste les gens remplissent les PV. Et actuellement, nous continuons à recevoir des appels par rapport à la remontée des résultats où il y a eu des endroits de falsification des PV aussi nous allons rendre ça public. D'accord. Dans l'ensemble, on uh-huh. que le vote dans les D'accord, merci Monsieur Michael Zod, coordinateur de l'organisation Tournoi la Page. M. Kani Abdullah, dites-nous un mot à titre d'appel à l'endroit de tous les Nigériens par rapport à ce processus, puisque nous sommes. Je, euh, pense que si j'ai un appel à lancer, c'est vraiment de remercier euh, de fond de cœur le peuple nigérien, mhm. parce que personne ne, oh, il y a des gens qui ont parié même que ces élections n'allaient pas. Mhm. avoir lieu. Mhm. Les élections ont eu lieu dans le, dans le calme. Mhm. Et il a dit un aspect très important, mhm. le taux de participation très élevé. Mhm. Les citoyens sont partis voter et dans le calme. C'est vrai qu'il y a eu par-ci par-là de, de, de, de des, de violences, mais qui sont significatives, qui, ne, euh, qui ne sont, pas insignifiantes, qui sont insignifiantes, effectivement, qui sont négligeables. Et au finish, c'est le peuple qui a gagné, de mon point de vue. Je pense que le peuple doit continuer dans ce dans cet élan mhm. pour la construction de la paix, pour la construction de notre pays. D'accord. Uh-huh. Le mot de la fin, uh-huh, c'est comme ils l'ont dit, et retiens que le peuple nigérien croit à la démocratie. Mm -hmm. demandons à nos leaders politiques mhm. de respecter ce peuple-là et à la CENI, aux institutions, tous ceux qui ont une part de responsabilité, vraiment d'assumer les leurs. Parce qu'il y va de la crédibilité. C'est l'occasion aussi de, sincèrement, euh, de remercier les organisations de la société civile, les médias qui ont su aussi diffuser des messages allant dans le sens de cette mobilisation-là et de cette réussite-là. Et je pense que nous devons maintenir le cap. Mhm. Et Inch'Allah, nous assistons à des lendemains meilleurs dans ce pays. D'accord. Merci, monsieur Al-Mustafa Moussaïde euh, euh, commissaire au niveau de la CNDH. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la question des élections législatives couplé au présidentiel premier tour au Niger, notamment les résultats des observations électorales, analyses et perspectives, en espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement. Nous vous disons merci pour euh, votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et depuis le mois d'octobre sur 6 euh, télévisions partenaires dont 5 à Niamey et une à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de Kani Abdoulaye, coordinateur euh, du Code collectif des droits de l'homme et de la démocratie, de M. Al-Mustafa Moussaïde, commissaire au niveau de la CNDH, et de Michael Zodi, qui est coordinateur de l'organisation de la page. Présentation Bakim Batoura Al-Mustafa, régie technique Aminatou et, et réalisation vidéo Adama Dawaki. Merci et à bientôt pour un autre forum sur les thématiques d'actualité.